Elle ne peut pas retenir ses larmes, elle ne peut pas cacher son chagrin, elle pleure son mari. Ramatoulaye la trentaine presque consommée, s'en remet à Dieu. Elle a du mal à parler, tellement que le choc de la perte de son mari la prive de parole. Les mots ne viennent pas, c'est les larmes qui coulent. Enfin, elle se confie à nous. daal amutoon dara day dem géej bu ñëwee lu tuuti li mu fi bàyyi bu ñëwee ñun mu jëm ñun jënd lu ñuy jënd pour lu ñuy ren ma dama lay tabaxal ba pare ma jël sama doom yi ma dem dëkk ba ma ne ko waaw loolu rek la ñu bàyyante fii ma ngi dem géej su ma ñëwee ma eggale tabax bi su ko eggalee ma campagne di tëj na naa am ma jël xale ñu dem kanam Sur un ton pitoyable, avec des gestes démesurés, se rescapé, dans un Wolof ramassé, et explique qu'il a besoin d'une assistance psychologique. Les images du chavirement lui reviennent toujours en tête. Il a vu ses amis se noyer sans pour autant pouvoir réagir parce qu'il ne sait pas nager. Alors, bi bi sama ak bi man munul law bu ba man bëgg jambal ñu jàmbal mu mu jàppal ñu comme affaire bu peut-être ci man ak sama xel bi yëpp ak sama euh, loho ak sama tanga so léegi ma soo bi ma liggéey tuuti man sonna quoi bëgg naa dimbal ma affaire bobu mu ngi peut-être man comme d'où un problème encore. Matteo Asmiku est le capitaine d'une des pirogues. Il revient sur le film du chavirement. Qu'est-ce qui s'est passé Quand nous avons envoyé que le calé Mais après de travailler, on a vu qu'il y a beaucoup de vent qui vient. Ça, ça, j'ai dit, les anciens que le vent là, c'est trop. À cause de ça, on a cassé le tunnel à la maison. Mais quand on vient à la maison, on n'a pas bien arrivé on a venu gagner on a venu gagner accident sur la route. Donc où on a gagné accident aussi, c'est trop loin un peu. Comme nous sommes beaucoup de personnes dans la pilogue, on a fait tout. Seniketa est le président de l'association des pêcheurs de Lincoln et membre de la CNTS fait savoir que le quai de pêche de Lincoln n'a pas de dispositif d'alerte et c'est grâce à l'agent du service des eaux et forêts qu'ils ont pu trouver une péniche pour les secourir. Non, non, ça n'existe pas. Parce que déjà, la première chose, quand on, a, eu la, nouvelle, on a arrêté la base, la marine, mais ici, au quai de pêche, on n'a rien. Je suis obligé de me rabattre sur l'agent des, eaux et forêts qui nous a prêté cette péniche, que je puisse, ils ont prêté un moteur et puisse aller les secourir. N'eût été ce coup de pouce, la catastrophe pourrait se produire, car, dit-il, que certains pêcheurs en pleine mer enlèvent les gilets de sauvetage dont le port est imposé par la base navale de d'Elenkin, d'où ils doivent passer pour contrôle avant d'aller en mer. toute façon personnes ou bien personnes ku nekk am am na même day des si gaal parce que suñu liggéey bi ñu ñoo xam la lu ñu def fii waaw euh, am nga ñun demuñu géej mool yi ñoo euh, parce que jilati waa autorité basse dañuy contrôle contrôle bi dafa dafa xaw a gaaw kon yow bu fekkee ne solo jilet gaal bi da da da kon bay force il faut am jilet euh, wala nga dem Siaka président de l'association de la communauté des Ghanéens raconte comment il a été informé du chavirement par son jeune frère. Son premier réflexe il est allé au quai le constat est unanime. Je suis mu woote ma mu ko waaw loo xew mu ne ma jógal am na benn uh, bërgo mu bi dañ ko bindi ci kaw njiitas nem na wan kon mom lu mu

ndeke lu nit ñi di wax dëgg la nit di nga dee ba pare nga ñëw ba sa kër ma daal ne sama doom bi ah man ñànkataan laa togg tey te sa papa ñëw na waaye man xaw ma lu may def bu ñëwee comme lu ñuy wax bu nekkee am na ñëw na mu fekk fi ñànkataan te moom bëggul ñànkataan ma xëy si suba oo rakka ji ma wax ko ko ma ne ko ndox bu tuuroo ba pare tuuru na ki mënu koo an ndax yéen da ngeen mën nëbb lépp ndax ndox bi nu mu tuuroo moom tuuru na ba pare war ngeen ma nëbb dara da ngeen ma waroon a wax dëgg bi rek lu si nekk ma xam ne loolu la ma ne ko waaye léegi kii gëm naa ni dee na mi ne ma waaw dee na ma ne ko gis nañ ko mi ne ma waaw gis nañ ko démb ñu suur ko mooy mardi bi ne gis nañ ko démb lundi ñu suur ko ma ne ko jërëjëf yal na ko foofu gënal fii nii nag ma daal di noppi waaye ba tey mbokk mi ba tey kenn wax dara ndax suur nañ ko gis nañ ko déedéet mooy xale bu góor bi rek moo ma wax ne suul nañ ko gis nañ ko ndax sama laajte bi ma ne ko soo gisee ma laaj la ni man dëmb dama tëdd ma sentir mu ñëw fii nii dama ma ne ko baax na man daal maa ngi toog jàpp si yàlla ku ñëw jox ma ma jël su ma amee ku ma ne am lii ma jël man moom naka jekk loolu mooy sama jikko ñaan sa duma ko def ma toog noonu ma jàpp si Les pêcheurs se basent toujours sur l'information météorologique, mais ce jour, ces pêcheurs étaient déjà en mer. Sinon, il y a un drapeau sur place pour alerter. Néanmoins, les deux présidents chargent la nation. Tous les pêcheurs parce qu'il n'y a plus de sécurité ici. On est loin de la mer, un peu. Quand il y a vent, il y a houle, les, les ne sont pas fatigués. Et tout ça jusqu'à présent, je ne sais pas pourquoi les dames. J'ai demandé même une, vedette pour un cas de secours

de monsieur. mais euh, météo ñoom waxuñu dara le moo tax gars yi euh, profité dem géej kon problème loolu la gars yi dem géej ba après météo nous commencé wax ne lii la quand am kon erreur kon erreur erreur bi euh, D'entendre parler, le quai de pêche de Linkin est laissé en rade. Aucune assistance étatique malgré toutes les promesses Elenkin n'a rien vu, alors qu'Elinkin produit plus que les autres quais de ce pays. On n'a rien reçu. On nous a promis, on n'a rien reçu. Je ne sais pas pourquoi. Jusqu'à présent, il n'y a rien ici pour, pour aider les gens. Même s'il y a un poisson, le plus pire, tout l'État, ils disent qu'ils ont aidé les quais de pêche. Ici, il n'y a rien. C'est le premier, on fournit beaucoup de poissons. Ici, il n'y a que 375 pirogues. À Elenkin, 375 pirogues. Le tonnage, on ne peut pas te dire combien il de Les Ghanais seulement, les pirogues sénégalais qui gèrent avec les pirogues, ça fait 44 pirogues que les, pirogues étrangères font, qui sont ici, qui font la pêche. Donc avec ça, on n'a même pas l'aide de l'État. Ce n'est pas possible. Même une voiture frigorifique, si on a du poisson pour mettre là, on a pas. Regarde l'usine de glace, on n'a même pas l'usine de glace. On est en train de négocier pour avoir une usine de glace, pour avoir du poisson. S'il y avait ici, ça vaut mieux qu'aller jusqu'à Jigenshon. Ça fait 4 6 heures de temps pour aller à Jigenshon. S'il y avait une usine de glace de près, c'est facile. Ce que je veux, que l'État regarde les pêcheurs. Jigenshore, d'accord, il y a Jigenshore. Mais le fond, il y a Elinkin, Capscreen et Kafontine. Si on calcule le poids de tonnage de poissons qui débarque, Jigenshore ne fait pas même pas la moitié de Linkin. Donc, on n'a même pas de voiture frigorifique qui donne partout à Kayar et tout ça. Ils l'aident partout les quais de pêche. Pourquoi pas le quai de pêche de Lincoln Selon le capitaine de l'une des pirogues, ils sont restés dans l'eau pendant deux tours d'horloge avant de voir les premiers secours arriver. Il raconte à nouveau. On a, on a eu accident 13h30 et puis on a venu la terre aussi 7h soir. Quand on a levé le, terre, et puis on a vu qu'il y a l'autre pirogue, le vent là, le vent l'a amené nous bidon à la maison. À cause de ça, les gens de la maison, ils ont vu qu'il y a un problème quand ça passait là-bas. Et puis, ils ont amené l'autre pilote pour venir nous aider. Ce temps-là, comme il a fait une coup de seulement, on ne peut pas appeler sur le potable à cause de ça. Toutes les cinq victimes ne savaient pas nager. Malgré l'effort des capitaines de les transmettre les planches pour lesquelles ils devraient s'agripper, ils n'ont pas pu les attraper car les pirogues ont pris de l'eau et très rapidement, c'était le sauve qui peut. Narcoasi, toujours sous le choc. Oui, quand l'eau a commencé à venir dans la pirogue, la pirogue s'est trop noyée. Donc, on fallait à cause de ça. Quand les gens là on était beaucoup aussi. J'ai fait tout ce que je vais faire. Mais les trois personnes là, comme elles ne sont pas nager, à cause de ça, la, la, nous donne le problème. Il a fallu trois jours pour commencer à retrouver les corps sans vie, mais des corps en état de putréfaction très avancé, difficile à regarder à deux reprises, des corps sans membres, des corps qui laissent apparaître les morsures des poissons.

foofu muy xool kii gana gana la man waaw booy bi gana gana la tuul Apo Emmanuel Apo mu suñu moom ci foofu mais ba léegi affaire bi daa métti quoi soo ma nelaw rek maa ngi gis boobu si quoi man. Les corps sans vie des cinq pêcheurs sont inhumés à Djogé, Djemberin et Kafountine. Le président de la communauté des Ghanais établi à Linkin charge la représentation de son pays au Sénégal qu'il dit ne les considère pas. Une fille, euh, normalement, amul benn euh, euh, euh, autorité pour jàppale ñu gën a gënee ñun am na ambassadeur ambassadeur moom moomu xooloo ñu suñu programme mais ñun suñu biir ñu defal suñu programme ñun cet problème amee fii même sénégalais soo amee problème sax ñun gën a gënee dañuy jël engagement pour participer am nga kon loolu. Les pêcheurs délinquants chargent les autorités qui ne viennent toujours pas à leur secours. Pour ce drame, ils admettent qu'ils n'ont aucun soutien des autorités pour la recherche des disparus. La première pirogue avait à bord 14 pêcheurs et a fait deux morts et la seconde pirogue avec 22 personnes a enregistré trois morts.